La famille, c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. La famille, c'est nous. Grâce à vous, on est partout. La famille, c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. La famille, c'est nous. L'avenir est à nous. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, la famille, c'est nous, s'exprime ils font la fierté de la comédie au Niger. Il fait, lui, la fierté du cinéma au Niger. Il n'est certainement plus à présenter. Mais aujourd'hui, sur l'émission Tous à Fada, les jeunes qui nous kiffent à travers le Niger doivent en savoir plus. Nous recevons pour ce numéro, mesdames et messieurs, un artiste nigérien, comédien, cinéaste, acteur culturel, PDG, entrepreneur. Eh, Chacho, ça vous dit certainement beaucoup de choses. L'artiste Chacho, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Merci, je vais bien. Tu veux de la forme Ouais, ça va, Dieu merci. C'est une histoire de famille. Ouais, c'est une histoire de famille. Et la famille, c'est nous. c'est tout, c'est le C'est l'histoire de Tchatcho. ouais, c'est clair. Parlons de l'histoire de Tchatcho sur cette émission. Qui se cache derrière Tchatcho Alors, euh, le nom qui se cache derrière Tchatcho, c'est d'abord Anatovi Clément Serge, un jeune Nigérien né à Zender, euh, un 3 juin euh, dans des années 85. Alors voilà, j'ai commencé la famille, c'est nous ici, à Niamey, dans les années 2006-2007 suite à une rencontre avec la DG de la radio-télévision Ténéré que j'ai rencontrée parce que je travaillais à l'aéroport. Et suite à euh, d'un de ses voyages, je lui ai facilité le vol et je lui ai dit bon voilà, à son retour, j'ai un projet pour toi. Tu dis en quelle année c'était en 2007-2008. Donc ça fait pratiquement 13 ans, 13 ans que tu es dans la comédie ici au Niger. Alors on va parler de tes débuts. Ok, d'accord. On sait que vous êtes rencontré avec euh, la directrice générale, mais quand, euh, comment est-ce que vous avez euh, commencé la chose On parle de la production, n'est-ce pas La diffusion, c'est important qu'on mentionne tout cela sur cette émission. Voilà, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de mon projet. Mhm. La famille, c'est nous. Elle a trouvé ça très intéressant. Elle m'a dit, bon, passe au bureau. Mhm. Je suis passé avec tout mes tas de papyrus, les scénarios et tout ça. Mhm. Elle a regardé, elle m'a dit super, c'est intéressant, mais moi je suis prêt à te produire et la télé est prête à te produire, mais pas à vous payer. On va mhm. produire et diffuser. Du coup, à ce temps, moi je dis, je suis partant. Parce, que, tu veux une visibilité. Voilà, je voulais me faire un nom, je voulais montrer mon talent. De quoi tu es capable. Voilà, c'était ça l'initiative. Et c'est comme ça on a commencé. Et en peu de temps, parce que la télé vraiment avait assuré, on diffusait trois fois par jour, sept 7 jours sur sept. Du coup, cette année-là, j'étais diffusé plus que le président de la République. <laughs> Vous voyez un peu ce que ça fait parce que l'artiste a la possibilité de s'exprimer. Il est extraordinaire. hey, eh, nous a quand même émerveillé, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai suivi beaucoup Tchatcho et j'espère aussi que vous l'avez suivi à travers, bien évidemment, les sketchs de la famille sur nous. Mutation sur mutation. Vous étiez avec, euh, dans un premier temps, avec une équipe. Oui, mhm. euh, c'est toujours la même équipe sauf deux ou trois têtes qui ont changé à temps. On va revenir dans un deuxième <laughs> angle sur ça. Maintenant, on va parler de Serge. Clément On va parler de Tchatcho Soussou sur, cette émission. Alors, Tchatcho, en dehors de la famille chez nous, tu peux déjà nous dire qu'est-ce que tu fais aussi hein, euh, euh, pour le rendement de la culture nigérienne Parallèlement, en fait, Voilà, euh, bien avant même la comédie, j'étais artiste rappeur. Oui, on allait évoquer ça <laughs> il était artiste Je pensais que tu as oublié cet aspect. Non, pas du tout. Ça, c'est mes premiers pas. <laughs> Après ça, euh, j'avais fait la danse chorégraphique. J'étais avec les licences Après, on a fait les Full Furious et tout ça. C'était le mouvement de danse chorégraphique. On a fait le rap. Et là, j'ai continué mes études. J'ai fait la communication. J'ai fait le BTS d'État en communication, une licence en marketing et un master un master 2 en communication publicitaire, en, communication politique. Et du coup, euh, c'était là m'a permis de, de Aujourd'hui, euh, j'ai une entreprise euh, de communication. Je produis des jeunes euh, en termes de cinéma, en termes de, publicité. Je coach aussi et j'enseigne la communication dans 4 à 5 instituts de Niamey. Le jeune exemple, il est là, il est entrepreneur, mesdames et messieurs. et eh, ce qu'on va faire, j'ai envie de mettre l'accent sur ton début de la musique. C'était quoi déjà le nom de la formation C'était bloc d'acier. Bloc d'acier, mesdames et messieurs, une formation que j'ai beaucoup kiffé. On me pose carrément. Je veux qu'on arrête le beat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est important parce que l'instant est solennel. Tu te rappelles de votre premier single Ouais, Wondia. <laughs> Ah, on peut avoir Wondia sur cette émission Wondia, Kagama Wondia. Kagama Ninkai Gobinara. Wondia. Wondia, Kagama. Alors on va kiffer un tout petit peu Wondia sur cette émission et dans un instant on revient avec Mr. Chacho. On kiffe et tout de suite la suite. Bébé, j'ai passé ma vie à te chercher, vous êtes t'es là à mes côtés, te chérir, te bercer, c'est mon seul désir. Et quand je pense à tout ça, ça me fait frémir. Alors vous avez certainement kiffé, vous vous rappelez certainement de cette chanson. Pour ceux qui n'ont pas connu Chacho dans le chant et dans le rap, mais ben, il était aussi artiste, chanteur, rappeur. Alors en Dodo, vous avez aussi fait quelque chose, je me rappelle très bien. on a fait, on a fait Don Don Don Don, au fond du ghetto. Ouais, bien Don Don Don Don ghetto. Et Tony et Tony Mototo, Oh, c'est Attends. Fais mon don, don, don, don, don. Donc, ça veut dire quoi <laughs> Et eh, quoi. Tu chantes, tu danses. En tout cas, président de Hada Hada et de Bouga Bouga, il faut que tu trouves le... <laughs> Un vrai Hada Hadaïste et Bouga Bougaïste, mesdames et messieurs, c'est qu'il dit ces choses vraies. Il faut appeler les choses comme ça. Artiste, rappeur, chanteur, comédien, hey, eh, casquette et bakouma. C'était le premier angle. Et dans un instant, la suite. Yeah.